ma koy wax ne ko heure su toogee na ma jàppale fii ci zone de ndax dama yàgg ci terrain bi te kenn jàppalewu ma te ginnaaw yàlla fi mu ne nii toll nii moom rek laa si yaakaar xanaa kontaante rek ak mbégte ndax bi mu fi ñëwee euh, ñi may voteel ma gañe génn nañ wan ma seen xan karamaat wan ma ni ma ñi ngi waat ci sa ginnaaw te loolu macha allah dal na xel ma koy wax ni ko bu toogee rek comme euh, nanu jàppale ci suñu bassin bi ak yooyu jàppale am aussi ci suñu canal bi ndax xet bi euh, jàppale jeunesse bi jàppale femmes yi ci ay ay ay mouvement ay kii pardon ay financement ndaxte financement moo ma mën a dooleel pour ndaxte toujours ma ñëw di wax ak ñoom fi mu ne dama doon ruus tax sax toog naa leen defal leen ma lii wala defal leen ma lii ndaxte depuis man ak moom ñu yàgg si ñun ma nekk ak ñoom si terrain bi te heure su ma leen tàllalee loxo rek ñu may ma ndam te su ma sañoon daal vraiment bu Cheikh Bakhoum toogee jàppale ma suñu jafe-jafe mooy yooyu franchement daf ñu sonal euh, ak bassin bi ak xetu canal bi sonn nañ lool ci yooyu ñun daal benn jafe lañ am fi ñaari jafe ñetti jafe yi moo fi gën a métti ci cité bi muy yooyu di bassin te bassin bi moo koy indi ak kanaal bi muy xet bi lii daal am nañ ci lu ñu ci metti lool te bëgg nag tamit ku ñu ci jàppale lool tamit. bu baax te ma xam ko muy nit koo xam ne du waxantu te lu mu wax def ko li tax ma ma nekk responsable femme nepp après depuis 2012 depuis 2010 moom mu ñëw présenté ma bàyyi ma ñi ñi ñi candidat yëpp ma bàyyi leen fa topp si ginnaawam. c'est parce que dafa am luma xam ci mom xam naa du waxante te lu mu dina ko def inshallah allah yàgg ak mom ci terrain bi mu ñett ko xamante ni si ku jox cër la te aussi kuma ma respecté la te du def dara te dugaluma ci mako ci ciy bu baax diko gëreum ndax xébuma ben yoon amul lenn lu mi teureu te Cheikh Bakhoum dugaluma ci vraiment kontaan na ci lool diko ñaanal nak ndam lu sedd guuy ndam lu oyof bu demee élection inshallah 6 heures rek ñu tej bureau de vote yi waaw parce que ñun en tant que jeune ak euh, étudiant yi nekk zone de capitale ak diplômé yi dañu ay problème yu bari mu di ay insertion dans le milieu professionnel mu di ay stage wala ay formation yi nga xamante ne moom la jeunes yi soxla pour yokk seen compétence donc gis nañ ne sunu maire bi ancien maire bi daf dafa lu ñu dara loo xam ne tey war na mën a soxal étudiants yi ak euh, diplômé yi waaw Cheikh Bakhoum moom teg na fi un programme boo xam ne ñëw na atelier wax la ñu dégg boo xam ne ci lañ ko waxee sunu doléance yi sunu problème yëpp yu ñu am que ça soit partie finance mooy aide ak bourse yi ak niveau transport ak équipement yi nga xamante ne dina mën a permettre may ay ordinateur wala ay livre wala ay kay nga xam ne étudiants yi dinañ ko soxla pour mën a yokk seen compétence wala aider leen ñu mën a pare seen euh, jàng waaw te ku ci pare jàngam tamit ñu ñu ñaan sunu candidat maire incha allah ci programme bi mu teg mu soxal tout ce qui est partie stage wala ay formation wala insertion professionnelle pour les étudiants waaw absolument parce que tey

waaw di leen di di remercier ñëpp rek di remercier di gis ne waa zone de captage jóg nañ mu doon benn uyu à l'appel de Cheikh Bakhoum waaw di remercier et di lancer un appel à tout le monde pour que le 23 incha allah ñu votel ko massivement bu gagner. ce qui séduit le plus ce qui séduit le plus avec Cheikh Bakhoum c'est qu'il a adopté une démarche de rupture. Au demeurant, les gens venaient vous dire je vous donne ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Lui, il me dit, Khalifa, moi, j'ai pas de programme. Mon programme, c'est ce que vous me direz. C'est ça la démarche de rupture. Il est venu nous écouter. Il a écouté Araf, il a écouté Kharial. Il a fait des préoccupations des gens un programme de gouvernance. De fait que chacun se retrouve dans ce programme. C'est ça qui charme. Donc nos préoccupations, zone de captage, ça fait 12 ans que j'ai dirigé ce, ce quartier. Je l'ai dirigé pendant 12 ans. J'en connais tous les coins et recoins. Je suis un notable. Et aujourd'hui, c'est moi-même qui ai expliqué les 14 points qui les a mis dans son compte. Non, ça va être difficile, ça va être difficile à arriver. Non, mais je, vous donne juste le tout premier poème, c'est le bassin de Vous savez, le bassin génère ce qu'on appelle les nuisances. Les nuisances, c'est toutes sortes de formes de maladies, de maux. Les nuisances olfactives, les nuisances euh, médicales, il y a toutes formes de nuisances. Et le bassin est ce qu'on appelle une bombe écologique à retardement. Baisse explosé à tukki aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les maladies nosocomiales que beaucoup de gens ignorent ay la ay ay sans compter les moustiques les moustiques du 1er janvier au 31 décembre les moustiques le bassin était destiné à recevoir les eaux de pluie Je le décris avec moi le bassin était destiné à recevoir les eaux de pluie mais les autorités de l'époque nous avons changé je ne sais pas pourquoi def ko bassin de rétention des eaux usées ce qui fait que nous avons bon grand yëpp fi lay CTO fi sorti, sotti bonam yi ak yenn Lola, loola indi yoo xam taw rek cest c'est-à-dire c'est c'est le bassin de, de rétention des eaux usées ces eaux usées nous viennent de Grand Yoff nous viennent des déchets et des de, de, de l'hôpital CTO nous viennent du canal le canal nous charrie toutes les toutes les mauvaises eaux de, de, Liberté 6. Donc retenez Liberté 6, retenez Grand Yoff, retenez le CTO et tout ça. Vous savez, le bassin génère ce qu'on appelle les nuisances. Les nuisances, c'est toutes sortes de formes de maladies, de maux. Les nuisances olfactives, les nuisances euh, médicales, il y a toutes formes de nuisances. Et le bassin est ce qu'on appelle une bombe écologique à retardement. Parce que vous explosez à Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, que beaucoup de gens ignorent. Sans compter les moustiques, les moustiques du 1er janvier au 31 décembre, les moustiques. Le bassin était destiné à recevoir les eaux de pluie. Je le décris avec moi. Le bassin était destiné à recevoir les eaux de pluie. Mais les autorités de l'époque n'ont que changé, je ne sais pas pourquoi, def ko bassin de rétention des eaux usées ce qui fait que nous yu bon grand yëpp fi lay jëw CTO fi lay sotti yu bonam yi ak yenn yi loola mooy indi yoo xam ne ndox taw rek bu cest c'est-à-dire c'est le bassin de, de rétention des eaux usées alors ces eaux usées nous viennent de Grand Yoff nous viennent des déchets et des détritus de de, de l'hôpital CTO nous viennent du canal le canal nous charrie toutes les toutes les mauvaises eaux de, de, de, Liberté 6. Donc retenez Liberté 6, retenez Grand Yoff, retenez le CTO.